c'est avec le flash d'information que nous ouvrons cette émission et il nous est proposé par Rafika Attaher. Bonjour Rafika. Bonjour Rabi, comment ça va Ça va bien. Hein alors, euh, pour ce matin, dans un arrêté rendu public hier, la Cour constitutionnelle au Niger a proclamé les résultats définitifs des élections législatives partielles au titre de la 9e région diaspora du 18 juin 2023. Ainsi, la Cour constitutionnelle a déclaré élu député à l'Assemblée nationale les personnes dont les noms suivent. Monsieur Aboubakar Adamou, Madame Aïcha Toubouraï Matahirou, Elhaj Boubakar Wangari Bilan et Madame Hawa HaSuminufu avec leurs suppléants dans leur mandat court à compter du présent arrêté jusqu'au 16 mars 2026 à minuit. Notons aussi qu'au terme du vote et de la proclamation des résultats provisoires, les partis PNDS Tareya, Moden Faloumana et le MNSD Nassara se sont partagés les cinq sièges pour respectivement deux sièges pour chacun des deux premiers partis et un au MNSD Nassara. Le monde entier célèbre aujourd'hui 11 juillet la journée mondiale de la population. L'édition 2023 est placée sous le thème Libérer le pouvoir de l'égalité des sexes, faire entendre la voix des femmes et des filles pour libérer la possibilité infinie de notre monde. Cette journée a pour objectif de sensibiliser l'opinion publique nationale et internationales sur les questions de population, développement et de diffuser largement les messages relatifs au thème central retenu afin de susciter une mobilisation sociale effective et un changement de comportement des populations plus de 40% des femmes dans le monde ne peut pas prendre de décisions de décision sexuelles et reproductives. Une femme meurt toutes les deux minutes des suites d'un accouchement ou d'une grossesse et plus des deux tiers des 800 millions de personnes dans le monde qui ne savent pas lire sont des femmes. C'est les raisons qui auraient sous-entendu le choix du thème de la journée cette année, selon le ministre de la Santé publique. Enfin, Lancement du projet appui à la gouvernance locale inclusive et la promotion des droits humains au sein des forces de sécurité intérieure, financé par l'Institut danois des droits de l'homme et la délégation de l'Union européenne. Ce projet interviendra dans 20 communes des régions d'Agadez, Maradi, Niamey et Tilaberi pour une durée de deux ans et vise à contribuer à la gouvernance locale inclusive, la citoyenneté active et l'amélioration des liens de confiance et de collaboration entre les forces de défense, entre les forces de sécurité, pardon, et les populations. Merci bien, Rafika. À bientôt. À bientôt, Rabi. Comme invité ce matin, euh, nous rappelons que nous recevons Ismaël Adolphe Binta, et les coordinatrices de l'ONG Sauvons le Djoliba. Rappelons que c'est ce samedi 8 juillet 2023 que s'est tenu à Niamey, au bord du fleuve Niger, le lancement officiel des activités de votre ONG, suivi d'une séance de salubrité. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu. Euh, voilà. Voilà, bonjour et merci d'avoir répondu à notre invitation. Mais avant hein, d'entamer notre discussion avec vous, Allons en musique avec le premier titre de notre sélection, Sa déchire, du groupe Métaphore Crew, une euh, collaboration avec le groupe togolais Sans Papier. C'est parti. Sade Ça déchire dans les bars, dans les maquis. À Lomé, à Niamey, jusqu'à Paris. Tu me regardes, je t'appelle et tu souris. Avec moi, bébé, y aura pas d'ennui. T'inquiète, on le fera tout doucement. Je vais pas jouer avec tes sentiments. Toi et moi, on passera du bon temps. Juste comme tu veux, bébé. Welcome to the party, baby. Don't be ashamed. Wanna see you shine my love and queen. Swinging, happiness, so fresh, so clean. You next, is my net, baby. Let me dream. I'm in the yard, I can take it away. Ah, uh-huh. maso ya, maso mo yo wasa. Yo, chicken monata, mo kete bisa. Gisanda meta, pasa papesa, gitaka hala asuba. Papier, mets ta force dans le clope Le public fait du bon son, alors on vient mettre ça au top Ça déchire, chire, chire, chire Ça déchire, chire, chire, chire Ça déchire, chire, chire, chire Suis la cadence, vas-y, rentre vite dans la danse Le plus vite feu du gros son, alors on vient mettre ça au top Ça déchire, chire, chire, chire Ça déchire, chire, chire, chire les métaphore. T'es tu leur l'ambiance dans les plans. déchire, chire, chire, chire. Ça déchire, chire, chire, chire. Ça déchire, chire, chire, chire. Ça déchire, chire, chire, chire. Everybody, yeah. everybody. Yeah. bien, cher amis du Niger sur Kalango, vous êtes bien sur l'émission qui déchire, ça déchire, on déchire ensemble sur cette émission. C'était le titre de cette connexion entre le Niger et le Togo. Nous avons espéré que vous avez bien kiffé comme nous. Bien évidemment. Alors, revenons à notre invité du jour. Il s'agit bien de Binta, qui est la coordinatrice de l'ONG Joliba. Alors, Binta, quelles sont euh, les activités les objectifs, autant pour moi, visés euh, par votre ONG si on peut aller aussi avec une brève présentation, bien évidemment, de l'ONG. jeune ONG. D'accord, merci Fénon. Merci Rabi mhm. de m'avoir invité sur, euh, dans le studio Kalangu. à travers l'émission. Le Niger sur Kalangu. Le Niger sur Kalangu, c'est un plaisir de vous recevoir. Comme je le disais tantôt, c'est Ismaël Adolphe Binta, la coordinatrice, la de l'ONG Souvent le Djoliba. Mhm. Le Djoliba a été créé euh, à travers, par des jeunes mhm. qui ont constaté, qui ont écouté le Joliba. C'est à travers ça que nous avons créé cette ONG. L'ONG Souvent le Joliba a été créée par arrêté numéro 00347 bar MI bar D bar DG APJ bar DLP du 15 mars 2023. C'est dire que c'est une, jeune ONG qui est là et qui œuvre dans le domaine de la protection et de la sauvegarde du fleuve Niger. Ok. Alors, ce qui nous pousse euh, bien évidemment à vous poser la question souvent, à savoir quels sont les problèmes ou les menaces auxquelles vous comptez faire face à travers euh, eh, votre organisation D'abord, les domaines d'intervention, c'est important. Les domaines d'intervention de l'ONG, souvent le Joliba, c'est l'environnement, l'hydraulique, mhm. l'assainissement et enfin le communautaire. Et parmi aussi les objectifs, je l'ai dit tantôt, le principal, en tout cas, les principal objectif de l'ONG, souvent le Dioliba, c'est vraiment la protection et la sauvegarde du fleuve Niger. Mhm. Et parmi aussi les objectifs spécifiques de cette ONG, nous avons la sensibilisation de, la population, notamment riverain, mhm. sur le respect et la protection des acquis, par exemple les digues de protection, les vies aquatiques et autres. Mhm. Nous avons aussi la au désensablement du fleuve Niger, mhm. contribué à stabiliser le sable charrier par les affluents, lutter aussi contre la pollution la pollution du fleuve Niger par les ordures ménagées mhm. et plastiques aussi, et mhm. soustraire la jacente d'eau de plus en plus envahissante. Mhm. Servir de cadre de concertation, bien sûr, et de défense pour toute question relative au fleuve Niger. Euh, encourager aussi une législation responsable qui vise vraiment à protéger et à sauvegarder le fleuve Niger et encourager et soutenir toutes les actions visant à bien sûr protéger le fleuve Niger. Voilà, on, entend souvent le Joliba. J'ai une petite question qui me tient à cœur. Oui. Pourquoi le choix porté sur le Joliba euh, mm, D'accord. Ça serait bien de revenir sur euh, son état actuel. voilà pourquoi. Bon, le Joliba, si on prend le Joliba, bon, peut-être pour beaucoup de Nigériens, ils ne savent pas ce que ça veut dire le Joliba. Uh-huh. Le Joliba, c'est tout simplement le fleuve Niger. Il ah. faut dire que c'est en langue mandingue le Joliba et c'est mm. son nom originaire. Mm. Quand on prend, quand dit le Joliba, en tout cas, que ce soit au Mali, en tout cas dans toute l'Afrique, on, sait que c'est vraiment le fleuve Niger. Et d'ailleurs, le fleuve Niger tire directement, euh, le Niger et le Nigeria tirent directement leur nom de, ce fleuve-là qui s'appelle le fleuve Niger. Voilà. Ok. Mm. Maintenant, on aimerait bien savoir quel euh, sera votre plan d'action. Vous vous attaquez à un vaste chantier. Comment comptez-vous vous y prendre Comment ça va se passer euh, D'abord, il y a beaucoup de plans d'action qui ont été établis par l'ONG, souvent le Joliba. Mhm. Et la plan d'action, on va le faire, mais avec toute la population, que ce soit jeunes, enfants et femmes, c'est important. Et quand je dis hommes et femmes, c'est aussi, en tout cas, toute la population nigérienne. C'est pas seulement les riverains. C'est sûr, avec les, riverains, on va travailler. Mm. Je pense bien qu'ils seront, <laughs> c'est leur domaine. Ils sont là, c'est chez eux, on va travailler avec eux. Mm-hmm. Mais la question du fleuve Niger aujourd'hui, ça concerne tout un chacun. Sans coloration, en tout cas que ce soit des, la population civile mm-hmm. ou militaire aussi, on va essayer aussi de les les impliquer, de les impliquer pour pouvoir vraiment le génie civil, comme on le dit, mhm. à la langue militaire. On va aussi essayer de travailler avec eux pour protéger ce fleuve-là. D'accord. Alors, avant de, continuer, Rabi, euh, mhm. on va prendre une petite pause musicale, n'est-ce pas euh, oui. Et direction Tilaberi pour notre seconde pause musicale. Et cette fois-ci, nous retournons à la source pour écouter ce titre Rookie de Badje un titre que nous dédions à toute la population de Tilabéry qui nous écoute en ce moment. kancinin handuwey mum deedeyte ayuben ogiba ayuki seydo babe bajiba ayuba watindeyne rukidonoka calkam gungiya huweytenye asinde zanko walal beeri kancino beeri kamboreyjibi ayuba kan inde rukidonoka Yumye heke kali tabi. kei Kene heke kali tabi. Nyandu e mundo no te Allah tiba. Lamin tu kitaram no banaram e. Ameke mabaze yuki. Anyandu e mino yuki chana wey mu chendero yuki chal kam ni ne ruka no dinda gungi atu wey yuki bonde gungi azanke azabura ki ko chale nkale ngande ga zeiku nkoiri ze ni nyale ikoiri mbomberi koiri boksaya narabe bindo halama ko iguriya narabe binde miliyedo dinga bombo siya duiteru kutume bigaru miliyedo koike to deberi tenado zebani gore kek so bonda gungiya azanke anyande we muna anjonke matine igete kidi zimma arzume songore zita soko karata so de mahandare kuwa ndakalate andare mangu aliwe handara lote awi namara noki se no, ane kalei mache zima, toro de zimbe raka dogan koti ko inoka albinde zimbe raka ai koi kalizram gande zimade zimmei woram ko ikale kam damde nyandu leizam loko mei ka kito chawa yuba andin mei di do bundu mama mei te foli binza kindei te harake nendiga siza kindei koi di dugo kali kazi awi indabu wo bohei Gadinga ruka yare me molo. Carmola hale me dinse. Mate kan huru kese neigo. Akan zimmei ka kito chawa tengo. Ine ngei mate anke. Babe iworam mate handa. beekiti baba igisoo menya ketu kesennei aneematiigetu. Voilà, mesdames et messieurs, le titre euh, Rookie hein, de l'artiste Badje, hein, un titre en tout cas qui nous renvoie directement à la source, une musique 100% traditionnelle avec un rythme hein, qui résonne aux couleurs de notre identité culturelle. J'espère que vous avez aimé, surtout les mégas qui sont escotés actuellement dans cette émission. Retour au studio avec notre invité du jour. Euh, alors, Binta, ça va Ça va. Alors dites-nous, quels sont vos partenaires dans cette lutte Parce que certainement, c'est un combat noble et les partenaires, euh, ça ne manque pas. Ou bien vous n'avez pas de partenaires. Et comment adhérer euh, à cette ONG euh, D'abord, en, ce qui concerne les partenaires pour l'instant, comme mhm. c'est une très jeune ONG, on n'a pas encore de partenaires pour l'instant. D'accord. Mais en tout cas, on on, exhorte en tout cas les autorités publiques et tous les partenaires techniques et financiers, comme c'est une question qui concerne tout un chacun, aussi vraiment d'être partenaire pour pouvoir protéger et sauvegarder ce fleuve Niger-là. Mhm. Ok, alors maintenant, euh, est-ce que comment comment est-ce que euh, les jeunes peuvent adhérer à votre ONG Est-ce qu'il y a-t-il, euh, je ne sais pas, euh, des procédures à suivre ou bien si aujourd'hui j'aimerais y adhérer, je, viens juste et puis je dis voilà, j'aimerais faire partir de votre ONG. Ça se passe comment mm. Explique-nous un peu. D'abord, euh, pour adhérer d'office, hein, d'office, tout le monde est adhérent. Tout le monde fait partie de l'ONG, souvent le Djoliba, parce que tout le monde est Djoliba. Euh, voilà, d'office. Voilà, même comme toute institution organisée, l'ONG, souvent le Djoliba aussi repose sur des principes élaborés et donc pas de complaisance pas de voilà. Et, pour adhérer, il suffit tout simplement peut-être de prendre contact avec l'ONG mhm. euh, chaque pour adhérer, d'abord c'est il y a une somme pour adhérer, c'est 1000 francs. Ah, ok. Voilà, <laughs> voilà, pour voilà, <laughs> pour avoir sa carte, voilà, pour avoir sa carte d'adhérent. Et aussi, il y a une, cotisation qu'on fait mensuellement aussi euh, pour, pour la caisse. Parce que des activités déjà sont en train d'être menées au bord du fleuve Niger, comme par exemple le thé débat qu'on a eu à organiser chaque samedi, hmm. chaque samedi pour un peu parler, inviter en tout cas les experts environnementaux, les étudiants, en tout cas tout celui qui, qui se sent concerné euh, par la protection du fleuve Niger, en tout cas d'avoir son mot à dire hmm. à travers le thé débat, cette émission. Alors, avez-vous trouvé des projets déjà entamé dans ce sens en tout cas, pour l'instant, on n'en a pas trouvé. On n'en a pas trouvé. Il y a beaucoup d'ONG œuvrent dans le domaine environnemental, mhm. mais de façon historique sur le fleuve Niger, pas encore. Pas encore. Pas encore. Ok, je le disais tantôt dans la première partie de notre entretien, vous attaquez un vaste chantier. Mhm. Alors, quels sont les défis que vous redoutez le plus, qui, euh, selon vous, vont constituer un réel obstacle à franchir Ça sera quoi Le réel obstacle c'est surtout la population, la mentalité de la population nigérienne. Ok. La population nigérienne, sa mentalité. Aujourd'hui, quand je prends la population nigérienne n'a pas ce civisme-là n'a pas ce civisme Parce que moi, je me dis que c'est le fait de, un exemple palpable de, d'acheter du piawata, de boire ça, c'est tellement, c'est un réflexe pour le Nigérien de jeter, de jeter ça par terre. C'est, un réflexe. Hmm. C'est-à-dire, c'est vraiment c'est vraiment pas un acte civique. C'est mm. tout naturel. Oh, voilà, c'est tout naturel chez lui. C'est comme s'il n'a rien fait. Mm. Alors que dans d'autres pays, quand vous partez, <laughs> vous n'osez, vous n'osez pas euh, jeter, quel que soit en tout cas le sachet, vous, vous, n'allez pas oser jeter ça parce qu'il y a des poubelles partout, tout ça là. Et on va garder ça jusqu'à ce qu'on arrive à une poubelle pour pouvoir jeter ça. Mm. En tout cas, l'obstacle, le, premier obstacle, en tout cas, ça serait la mentalité des Nigériens. Voilà. Ok, alors le fleuve Niger, c'est aussi hein, ces riverains qui sont qui sont euh, euh, une partie intégrante de ce joyau. Euh, comment envisagez-vous hein, la collaboration avec eux Tout à l'heure, vous l'avez effleuré, que vous allez travailler avec eux, mais comment ça va se passer ça va se passer déjà, déjà, on a eu à prendre contact avec les jeunes, les jeunes du village de Combo, c'est un village riverain. Mhm. on, va travailler ensemble avec eux. Euh, pour pouvoir essayer de voir dans la mesure du possible comment eux, ils peuvent apporter leur contribution avec nous pour qu'on puisse vraiment sensibiliser d'abord la population parce que c'est d'abord la première action que nous comptons faire. Mhm. Il faut d'abord sensibiliser la population, c'est important. En tout cas, les jeunes, les jeunes riverains, en tout cas, vont travailler la main, de la main avec l'ONG, souvent le Joliba, mhm. pour euh, protéger le fleuve Niger. Ben, merci euh, Madame Binta. Nous souhaitons bon vent à l'ONG Sauvons le Djoliba et euh, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Voilà, Rabi, nous sommes arrivés hein, à notre rubrique hebdomadaire le paludisme, euh, voilà, Effectivement, le paludisme est une maladie euh, endémique qui sévit au Niger dans le temps. Hein. le paludisme était plus fréquent pendant l'hivernage, mais maintenant il est présent tout au long de l'année. Pourquoi cela Réponse avec le médecin militaire de l'hôpital militaire d'instruction, docteur Boubacar Hima. Il est au micro de Zainabou Abdou. Qu'est-ce que le paludisme Donc le paludisme, c'est une parasitose du globule rouge dû à un plasmodium dont l'agent vecteur peut être de quatre espèces. Il y a le plasmodium vivax, il y a le plasmodium falciparum, le plus connu, et le plasmodium malaria, et puis en dernier le plasmodium ovale. Comment contractons la maladie et quels en sont les symptômes Le paludisme, ça se contracte par euh, l'agent vecteur. L'agent vecteur qui est l'anophèle femelle. L'anophèle femelle avec la piqûre de l'agent vecteur qui transmet la maladie. Et le réservoir le plus souvent, c'est l'homme. Le paludisme, la symptomatologie, ça dépend de, la phase d'incubation, de la phase de, de piqûre des moustiques. Ça peut durer de 7 à 20, 20 jours à un mois. Après la phase d'incubation, il y a l'accès paluste qui s'annonce par les symptomatologies suivantes. Il y a la frisson, sensation de terrible de froid qui dure deux heures de temps. Puis là, il y a une phase également de fièvre qui varie de 39 à 40 degrés. Après vient la sueur. Après la fièvre, il y a les signes digestifs qui peuvent s'installer il y a les nausées, vomissements et quelques diarrhées. Puis vient les signes généraux comme la courbature et les polyarthralgies. Il y a l'asthénie également qui est surtout présent. Après les symptomatologies, ça peut évoluer à des signes qui peuvent annoncer une gravité extrême comme les urines foncées. Comment traiter le paludisme Pour parler du traitement, il faut d'abord confirmer le paludisme. Le, pour confirmer le paludisme après la symptomatologie, les signes, il y a un bilan biologique minima à faire, dont la goutte épaisse ou bien la densité parasitaire, associée à la densité parasitaire pour euh, confirmer que le paludisme avant de commencer un traitement. Le traitement du paludisme, en première intention, après confirmation du paludisme, si la densité parasitaire n'est pas si élevée, et qu'il n'y a pas de contre-indication aux molécules. Le traitement se fait par euh, les thérapies combinées à base de artémisinine, principalement l'artéméter plus euh, lumefantrine, ou bien la tessonate amodiaquine qui est d'actualité. Néanmoins, s'il y a les signes cliniques qui empêchent tout traitement par voie orale, la voie parenturale peut être utile à travers soit par l'artémétère, injection intramusculaire, ou bien la injectable ou bien la quinine injectable. S'il n'y a pas eu un traitement adéquat, l'évolution peut aller jusqu'au paludisme grave. Comment se protéger de la maladie Pour finir, on se protège du paludisme pour les voyageurs par la prophylaxie des voyageurs. Euh, donc le traitement avant de venir dans un pays endémique. Ou bien il y a la protection contre les vecteurs qui est également important. Il y a l'aménagement des locaux, lutte contre la nouvelle femelle il y a les moustiquaires imprégnés également, donc dormir sous moustiquaires imprégnés. Il y a la pulvérisation par les insecticides qui également est très important pour lutter contre le paludisme. Merci bien Zainab Abdou, le rappel est pédagogique. Nous allons en musique, c'est ça sinon. Effectivement, continuité musicale dans cette émission Le Niger sur Kalangu, cette fois-ci avec le titre Irsiba du groupe Diotine, un groupe qui a beaucoup marqué le mouvement hip-hop nigérien avec euh, du rap conscient avant de se disloquer. On écoute. Si un titre qui condamne la pratique du mariage forcé chanté par le groupe Guillotine. Un groupe qui faisait de la bonne musique hip-hop, mais malheureusement ce groupe ne fonctionne plus. Les membres du groupe se sont dispersés, c'est Oui, euh, Rabi, néanmoins, certains d'entre eux continuent euh, à accompagner la musique nigérienne d'une autre manière. Le chanteur Killer, par exemple, qui a un, euh, label et qui produit hein, des jeunes artistes nigériens très très talentueux aussi. you and make reggae Siba, après cette pause musicale, Rabi, euh, je pense qu'on va faire un tour dans les régions pour nous enquérir des échos des régions, n'est-ce pas Oui, c'est nous. Et euh, en cette période euh, d'hivernage, la production de la corette ou malohia en Hausa et en Tamashek ou Fakou en Zarma se fait dans plusieurs villages de la région d'Agadez. Sa qualité a euh, longtemps fait le bonheur euh, des consommateurs. Malheureusement, depuis un certain temps, euh, la, la commercialisation de ce produit est un véritable calvaire chez les producteurs et commerçants grossistes. Le reportage de Moussa Maman. Ce sont des centaines de sacs de corettes qui sont déchargés dans différents marchés d'Agadez. Les mêmes produits restent deux jours sans être écoulés et au vide de moyens mis pour la production, c'est là

barwan ta su mota tiyoyi haka ne na taki da tiyoyi kan ka wanda suka ishe ka motar kana motar yi. a lahiya da wajen noma. yanzu ne mu muna noman shi amma shekarar nan gaskiya ta kada mutane ba ta yin kudi ba a dokar ta comparativement à l'année passée les stocks dans les magasins des grossistes n'ont pas pu être écoulés. ce qui a eu comme conséquence l'arrivée de la nouvelle vague de la corrette produite cette année explique Ibrahim Boutali commerçant grossiste de la corrette Umar ce Est Dagadez. Bara kowa ya ce albarkacin miya saboda ka kawo ta kana sai ka da ta ka ashirin kai ka da ta ha ashirin da biyu buhu guda. Abun da ya kawo matsala masu sai sun saye ta diyawa suka aji. To da lokacin da za a fito ta ya kamata a ci riba da ita duk mutanen da wanda suka saya miya bara har yau tana ga hannun su samu su da ta ba saboda babu inda take tafiya. Masu manoma sun kawo sabuwa sun kawo sabuwa kuma kenan sun kashe ma wancan kasuwa le malheur Les malheurs des uns fait le bonheur des autres, c'est en tout cas ce que semble dire Madame Mariama Agdal qui profite de la disponibilité de la Corette sur les marchés et à moindre coût pour faire prospérer ses activités de vendeuse de ses produits. Ni aiki na malohiya ce nake ta saida kana ganta ga ta malohiya ga taya nake kasuwa in sayo buhu biyu ko uku in zo in gyara in kai mashin in nika in sa komai in zo in sa ta a kwalabe ina sassaida ta. A cikin haka nan kaga ina samun riba fiye da yanda ba a tammaha tabarkalla masha Allah ina samun yanda nake so kuma ina hita. Mutane suna sai sosai ma ana zuwa daga ko ina daga ungu ne wani lokaci har ya mai nake aikata da samara maraɗin ga ana sai domin. To ka san ko aiko alhamdulillah masha Allah Depuis la nuit des temps, la corrette de la région d'Agadez est aimée par les consommateurs car différente de par son goût, sa couleur et ses feuilles plus larges. Trouver une solution à cette situation de mévente est les souhaits des producteurs de la région. Chers auditeurs, on nous signale euh, Moussa, Moussa au bout du fil, Moussa Maman, bonjour. Bonjour. Alors, euh, Moussa, on vient juste d'écouter ton reportage. Est-ce qu'on peut dire que c'est la surproduction de la Corette qui est à la base de cette mévente ou bien un manque de débouchés à toute cette euh, grosse production Qu'est-ce qui se passe Je n'ai pas compris. Est-ce euh, la surproduction Est-ce qu'il y a plus de production euh, que, voilà, que nécessaire Est-ce que c'est ça qui cause, qui est à la base de cette mévente oui, bon, en tout cas, c'est la production, parce que ces moments-là, c'est hmm. encore, on peut, on, peut constater qu'il y a beaucoup la production de, ce, euh, de la corette. Mhm. Et la production de cette corette a fait que euh, déjà, il y a un, un, ancien stock qui est là, hmm. qui n'a pas été écoulé, et un autre est venu. Donc, c'est hmm. ce qui fait encore, juste là, il y a une vente, euh, les gens se... D'accord. Alors dites-nous, est-ce que euh, par rapport aux consommateurs, est-ce qu'ils sont réticents ou bien c'est juste euh, qu'il y a une surproduction Est-ce que les, euh, les consommateurs continuent de consommer ou bien ils sont réticents en tout cas, les consommateurs continuent de consommer, surtout ici à Gadez. Comme le témoigne la femme là, les gens consomment ça un peu. Mais en, tout cas, les, gros clients, c'est ceux qui prennent ça un peu à l'extérieur d'Agadez. Hmm. Donc Agadez, c'est juste les, les c'est des, petits sacs qu'on vend. Hmm. Mais les, grossistes euh, ne prennent pas un peu la, euh, la, la Mm. Ok, ben on va souhaiter une meilleure euh, voilà situation pour euh, <laughs> ces producteurs, oui. Exactement. Ah mm. Merci beaucoup. À bientôt, Moussa. Merci, merci beaucoup. Ah. Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. Mesdames et messieurs, accueillons à présent Adam Sariou euh, qui nous vient avec euh, les informations sportives. Bonjour Adam. Bonjour Adam. Bonjour Rabi. Bonjour Seno. Bonjour. Alors, euh, nous ouvrons cette page sport par la lourde défaite hier du MENA U20, 4 buts en face à la Côte d'Ivoire. Eh bien oui, Rabi rencontre entrant dans le cadre de la deuxième journée de la Coupe IFOAB Abidjan 2023 ce qui veut dire que le MENA n'a plus son destin en main avec un point en deux journées. Le MENA est d'ailleurs condamné à une victoire jeudi 13 juillet prochain contre le Burkina Faso, leader du groupe, avec six points au compteur et espérer un faux pas des Ivoiriens face au Ghana. Alors Adam, euh, c'est aussi la fin du championnat national de football. Oui, c'est nous, c'est désormais officiel. La Super League version 2022-2023 vient de fermer ses portes. Le bilan de la saison se présente comme suit. La S-Garde nationale remporte le titre de champion et réalise le doublé championnat plus coupe nationale. La jeunesse sportive d'Ottawa et le Jongorzo Football Club de Maradi sont relégués en deuxième division. Ce qui fait que la S-Garde nationale représentera le Niger en Ligue de champions africaine et la S-Douane représentera le Niger quant à lui à, à la Coupe de Confédération africaine. Adam, après le lancement du TGV Lazare, euh, la semaine passée, c'est bientôt le tour du TGV euh, Yantala d'ouvrir ses portes à la jeunesse Niamey. Oui, Rabi, fin des matchs barrages pour, la, pour euh, les phases de poule. On connaît désormais les 16 équipes qui seront de la partie. Et pour rappel, toutes les équipes favorites seront de cette partie 2023. Il s'agit de la SEC Yantala, Ardan FC, 11 Pro de Talagé et Dollar Football Club de Yantala également. C'est la fin de cette chronique. Au plaisir de vous retrouver pour un autre numéro. Plaisir partagé, Adam. À bientôt. C'est euh, nous. Oui. Nous passons à notre rubrique portrait ce matin et la star euh, de, de, ce portrait se démarque de par sa polyvalence à son jeune âge, c'est ça Exactement, à seulement 21 ans, Rahilatou euh, Mahmoudou, étudiante en communication à Niamey, incarne la polyvalence et l'engagement de la jeunesse nigérienne. Entre ses études, son entreprise artisanale et sa passion pour euh, le numérique, elle brise les barrières et ouvre de nouvelles voies. Écoutons, son portrait avec Fanta Shamsou. Âgée de 21 ans, Rahila Toumamoudou est une jeune Nigérienne, étudiante en communication à Niamey. Au-delà de ses études, elle gère aussi une petite entreprise qui évolue dans l'artisanat. En compagnie de son ami et associé, elle travaille le pagne africain pour customiser et embellir divers articles dont des carnets, des notes et des sacs à main, entre autres. Nous concevons des sacs en cuir, des blocs-notes, des chaussures et plein d'autres accessoires avec des matières premières locales. Nous essayons à travers cette entreprise de faire la promotion de la culture africaine. On s'est auto-formé. On regardait des tutos, on faisait nos trucs nous-mêmes parce que moi j'ai j'ai tout le temps été passionnée de tout ce qui est activité manuelle depuis mon plus bas âge. Donc quand j'ai rencontré mon ami, là, c'est qu'on ne pas créer une entreprise qui va faire la même chose. tout se démarque aussi par sa passion du numérique, une passion qu'elle a développée depuis son premier contact avec les réseaux sociaux et qu'elle essaie de transmettre aux plus jeunes autour d'elle. Et nous avons également un volet numérique où nous rédigeons des bandes dessinées pour initier les plus jeunes, c'est-à-dire les enfants au numérique. La première bande dessinée qu'on avait écrite, c'était sur l'énergie solaire. C'était une jeune fille qui, dans son village, n'avait pas d'électricité, donc elle avait créé une lampe avec l'énergie solaire et elle a initié ses, petits amis du, village. Ils ont fait la même chose et c'est des trucs comme ça qu'on va écrire. Peut-être comment créer des sites pour les petits enfants, peut-être comment créer des applications, des logiciels. Parallèlement à ces activités, entrepreneuriale, entrepreneurial, Rahilatou est aussi très active dans plusieurs associations de jeunes. Toutefois, elle admet que ce chemin n'est pas sans difficulté, surtout en tant que jeune femme. Elle s'est dit déterminée à surmonter les obstacles et à faire entendre sa voix. En tant que jeune fille, c'est pas vraiment facile. Parce que, un moment, il y avait une porte Maria Matassa moi, j'étais secrétaire générale de la commune 4. Donc, quand on devait faire les enrôlements, donc on était obligé de sortir à 7 heures pour souvent revenir à 22 heures. Des trucs comme ça, c'est pas vraiment facile pour une jeune fille. Et à l'époque, j'étais à Niamey 2000. Souvent, on partait à Saga, on partait à Gamkali. Donc, pour revenir, c'était tout un problème pour moi. Donc il y a toutes ces, tous ces détails. Rehlatou démontre avec éclat que l'âge ne limite pas les possibilités. À travers son dynamisme et sa détermination, elle trace son chemin vers un avenir promoteur tout en inspirant ceux qui croisent son parcours. Voilà, merci infiniment euh, à Fanta Chamsou pour ce portrait euh, si inspirant. Chers auditeurs, nous allons boucler notre playlist avec le titre euh, Le Niger, c'est nous, des artistes unis pour la paix au Niger. On écoute. D'être pieux vis-à-vis du maître de la terre et des cieux, la différence de religion importe alors peu si nous adorons tous le seul et même Dieu. Niger, oh, l'Isei, il m'a tout un gâteau à fond. Niger, oh, l'Isei, il m'a tout un gâteau Niger, oh, l'Isei, il m'a Niger, maka shi fata guda domin kwanciyar hankali cikin ƙasa shi ne arziki Je te reconnais pas, mon frère nigérien. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Mettre sur le fait une solution qui ne change rien. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Agissons comme on a hérité. Militons dans une fin faite et unité. Si j'ai mon il me tourne gâté à fond. ניג'ר לא איזה עיר מצון גבת שלה. ניג'ר דמוצ'ה, כנוואלי כללצ'ה. ניג'ר דמוצ'ה, כנוואלי כתום הבעיה. היי פה היי nigerisés et que chacun de nous se fasse une mèche pour allumer la femme de la paix alboron da wai borga zan ka alberi ga nigerisé wani makan badan jakan bara galbarka da irbora gaba kasi ne da irbi ne raga cabe an sa maji amane tuba ga kala justice the yonder government zombe sani yola beze e makama don justice e matenya foda baba fo la kalkane mazombe sani yola boga on a le fleuve on a les dunes mais on a aussi le désert pour de la jeunesse. Mais on est pour le métissage. On est des peuls des canouris, on est papa et gourmanché, on est Touareg et des bébés, on est Dama et Foulani. Et c'est tout ça qui fait le Niger. Oh, oh, God. Niger, Moïse, Irmatun, Gatéafo. Niger, Moïse, Irmatun, Gabachere. Niger, Gamucheka. And we have make it right now. Until my chubby, come on, Sanga Sanga. Soy un digne, intègre, patriote, hein? Arrêtons ces violences, je lance un appel. Wanir ma mort, tiens sa camion. Kadigi Chartonye, qu'elle soyons La paix au Niger, la calcané ma douga Niger la bossé, et quoi ma douga souji zoumani. Niger, no, isei, il matunga te afo. Niger, no, isei, il matunga bachere. Niger ta wuce kanuwa koma Quelle que soit ton origine Tu es bienvenu Quelle que soit ta religion Tu es bienvenu An samu da kwanciyar hankali Ana yabon mu da zumunci Kunci hangkali, muni macaldi. Kunci hangkali, muni macaldi. sommes tous des frères, ont pris le même Dieu. Les saintes écritures nous enseignent le pardon. Pourquoi brûler et tout saccager C'est pas la peine de mettre notre pays en péril. Nigérien, Nigérien, si tu veux la paix, soyons unis pour le bien de la patrie. Hospitalité, intégrité, solidarité et fraternité. shi an kashe wani an ji ma wancan ciwo bai da kyau an ƙona gida an ƙona shago an ƙona motoci da yawa babbal asara shi ka sa zumunci ya ƙaura mutunci babu shi ko alama ku zo mu manta da komi miya fai ma juna da mu gyara Très belle sélection musicale, merci euh, Seno. Voilà, passons à la rubrique Lotti. Euh, dans cette rubrique, euh, Loti de ce jour, les femmes du studio Kalango touchent du doigt le problème d'insécurité urbaine à Niamey et dans les grandes villes du Niger. C'est un phénomène qui prend de l'ampleur ces derniers temps. Oui, Rabi, le volet, euh, le vol, autant pour moi, à l'arracher, le braquage en plein jour sont autant euh, des pratiques qui euh, inquiètent la population de Niamey. Écoutons Fanta Chamsou, encore une fois de plus, et Rakia Arimi. matsukiji matsukiji matsukiji matsukiji matsukiji matsukiji biyar goma hamsin kenan ina kwana ba kina lahiya lahiya ta umu ya gida ina yara lafiyar su laugora me ya same ki kike kilga kuɗi akan hanya ko wata kwambala ce kika ci <laughs> haba gora dama a ce lotan ce na ci hmm, daga banki nake kun mutane na ga sun yawa a ciki shi yasa na hito waje wa in gushi idanun mutane wala hauli wallahi kina bani mamaki kenan ke a ganin ki wajen ya fi cikin bankin a fannin tsaro daga ina wannan kazamtaccen nazarin ya fito miki ke gora wannan nazarin nawa shi ake ce madatacce in gaya miki na ji labarin wani biko cikin banki ana samun barayu da suke shiga cikin jama'a su zo su yi ayyukansu cikin banki suna kuma sa ido akan mutanen da za su kwashi ɗimbin kuɗaɗe <laughs> hmm, wa zai biki saboda miskinin kuɗin naki to in ma a ce abin da kika faɗa gaskiya ce a cikin bankin hankali ya yi kwantawa da a filin haka a wannan yayin wawuri kaɗan ke hadda miƙa kai wawuri mi abin mai kaca ne in na gane yanzu barayin mutane suke sace gora ke ashe hankalinki kar ki ce mini baki san da bidiyoyin da ke yawo kan kafofin yanar gizo kameran sa idon da ake kira kamera da surveillance suna nuna barayu da ke kan moto suka kai wa wata mata hari suka tafi da jikarta ta hannu rana kai tsaye. Kai, amma lanya mai ta lalace gora da rana iri-iri fa. Ba manya mai kaɗai ba ne yanzu. Abun ya zama ruwan dare ga gari a duk faɗin ƙasar Nijar. Ke, in kai ki ma nesa, duniya ga baki ɗaya. Kenan kamata ya yi, ki hattara in kina kan hanya. Ki buɗe ki sosai ki lura da duk wani take-take ko akwai mutane ko ba mutane. In kika ga ke ko yaro karami ne wanda biki yarda da yanayinsa ba canza hanya nemi inda mutane suke ah shikenan ai ai ba ni sake kulga kuɗi kan hanya gaban nan ke babu ma inda za ni ba tare da mai na ba ko kanya tabdijan kin gansu ne wasu dirka dirka da su <laughs> barayin ma gorayen suna son su kai min hari sai sun yi nazari kai ba a ki wannan ba gora amma kullum ne za su yi yawo da ke ai su ma suna da abin yi ko ke kina da gaskiya gora abin yi dai shine in yi hankali da duk inda zan sa kafata ko madalla lagora kin gane sosai da wannan kuɗin da kika ɗauka a banki ma kina iya tafiya ki sa kamarar za ido ke umu ban san rainin wayo dan ban da wasu sani da kuma wannan ƙarayen ƙarfin nawa zaki raina min hankali a'a ina na sani tana yi wa alwashi kina yan kwantarage ya canza wala <laughs> to da fatan dai kin gane a na gane yau. C'était là le loti euh, de l'équipe femme du studio Kalangu. Oh, passons à notre rubrique culture linguistique. Nous en saurons plus ce matin sur le mot mathématique et ça sera avec Asumana China. Bonjour China. Bonjour Rabi, bonjour Seynou. Bonjour. Euh, merci de m'avoir donné la parole. Alors, euh, comme vous le savez, le mot qui revient sur les lèvres ces derniers temps au Niger, c'est le mot mathématique. Comme tu viens de le dire, les Suite aux erreurs donc décelées dans la formulation du sujet de cette matière pour l'examen du baccalauréat série D cette année. Et eh bien, donc aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir euh, le mot mathématique. Donc, euh, mathématique, c'est un adjectif, c'est également un nom féminin. Mathématique c'est la science qui étudie les êtres abstraits, tels que les nombres, les figures géométriques, mhm. les fonctions, les espaces elle aide à comprendre comment fonctionne le monde et toutes les autres sciences, comme la physique, la chimie, l'informatique. Par exemple, en médecine, elle permet d'anticiper l'évolution de la maladie et de la modéliser grâce à l'informatique, ce qui permet de réagir et d'optimiser la façon d'administrer les médicaments. Okay. Donc, euh, en je, peux, je vais essayer. Mm-hmm. Exactement, c'est prévu également. Voilà. De, de Donc, mathématiques, ana cewa kamar lissahi ne da ke ba da damar sanin yadda abubuwa Quoi, tafiya, ko yawan abubuwa, ko girmansu, ko kuma faɗinsu haka. Mm. Tana da ba da damar sanin yadda al'amuran duniya na yau da kullum suke tafiya. Misali, a likitance, tana ba da damar gano yadda wata cuta take, sai a fuskance ta, a san yadda za a ba magani mm-hmm. domin a warke. a ah, hein. Sosei, merci, beaucoup. <laughs> Chers auditeurs, euh, si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiterez avoir l'expression, l'expression en anglais, en Hausa, en Zarma, en Tamashek euh, ou en Fulfulde, n'hésitez pas à laisser euh, un vocal ou un message écrit au 82 89 89 64. Je dis bien 82 89 89 64. Voilà. Le studio Kalangu, chers auditeurs, c'est aussi et surtout la grande édition du soir, les cinq journaux à langue et un autre forum quotidien. Et justement, euh, nous sommes avec... Euh, voilà, tunana Adamu Musa Hassan nan garin Ciro nake zamani studio Kalam. Shirye-shiryen su wanda yake burge ina jin yanayin da suke fassara magana da yaran mu kamar zabarmanci zan ce wannan abu yana kayatar da ni sosai. Abin da za a gai duka ina ji. Me ana gain Hausa amma inda zabarmanci za a yi gaskiya ina jin magana wadda yake nake ji ina jin daɗin ta sosai. Ina da dan uwana da yake sunan shi Isa Baba ina gaida shi. Ina da dan uwana da yake Doso Sule Jibis ina gaida shi shi ma. na san kuma ina sirkin sosai ma. Na

du studio Kalangu. Respect et considération. Je profite pour saluer mes amis de classe Mariama, Bukari Atera, Zainabou, Abdurrahman Aturozeri. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Voilà, chers auditeurs, vous l'aurez compris, c'était là le euh, les messages vocaux envoyés par nos auditeurs. À présent, Écoutons les grands titres de ce soir avec Rukaya. Rukaya, bonjour. Bonjour Seno, bonjour, bonjour Ravi. Alors, un projet de création d'une nouvelle force régionale contre les coups d'État et le terrorisme a été adopté à l'issue du à l'issue du son deuxième sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CDAO à suivre l'analyse de Sédic Abba, spécialiste en questions sécuritaires pour le Sahel. À Agadez, une rencontre a réuni le commandant de la police routière et le syndicat des taxis motos de la région. Les détails dans ce journal. La partie magazine de cette édition évoque les problèmes d'accès à l'eau potable pour les femmes de Kornaka, département de Dakoro, région de Maradi. C'est tout pour l'éditeur. Merci, infiniment. Chers auditeurs, nous sommes à la fin de cette édition de votre émission Le Niger sur le Kalangou. Vous étiez accompagné euh, de Rabi et moi-même, Ali Moukela Hussein alias Seno. Le plaisir était grand de partager ce moment avec vous, chers auditeurs. Le rendez-vous est pris pour demain pour un nouveau numéro. La technique était assurée par Kader Chambiano et euh, l'édition La Grande Dame Adama Excellente journée à vous et à bientôt. Ciao, ciao.